sortie euh, du Haut Commissariat. Monsieur Babacar Fall, ça va On vous attendait, hein <laughs> eh, Vous nous attendiez de pied ferme. De pied ferme, ça va Ça va, ça va. Bien, Alhamdulillah. Ça va, ça va. C'était lourd. C'était lourd. Ah alors, ça pas qu'on la, D'accord. Ah, non, non. Non, non, ne veut pas qu'on filme la, poste. comme ça. À la caméra. Oui, mais là... c'est bon, c'est pas grave. ici, c'est bon. Hein. On va pas ça, d'accord. Alors, alors dites-nous. on a eu l'opportunité de, rencontrer des responsables du Commissariat aux droits de l'homme pour euh, leur, faire connaître euh, les derniers événements qui euh, touchent en particulier, mais plus largement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 tous les moyens juridiques et diplomatiques qui sont à notre disposition. Les instruments existent. Et c'est pour cette raison que le travail au niveau international doit être euh, très intense. Mm-hmm. Ici, on a commencé ici aujourd'hui, mais nous irons dans d'autres lieux très prochainement, très très très prochainement. Mm-hmm. Euh, comme ça, ils seront bah, écoutez, l'impunité zéro, c'est fini. Mm-hmm. C'est fini. donc, nous savons que les organes, je l'ai dit avec euh,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 Euh, quelque chose d'inédit nous avons vu le Sénégal mhm. bu ñu compté compter les les les prisonniers par milliers 1500, euh, mais ne serait-ce que chez nous Pastef nous avons dénombré pratiquement 1062 mhm. euh, prisonniers mu une situation catastrophique pour l'image du Sénégal mhm. l'image du Sénégal qui a été plus que balafrée nous avons vu que nous continuer euh, dolli ci ki le principal opposant Macky Sall ki nga euh, sénégalais surtout ndaw ñi nañ en 2024 là on était du des moyens des euh, moyens illégaux pour empêcher ko les candidats. candidat avons nous ñu ñëwoon mettre sur la table et euh, les conditions de détention qui nga été arbitraires, le nañ le président Ousmane Sonko avec alerte aussi forte par rapport la grève de faim nga il est à son 20e jour xam nañ ne li peut-être que dina indi Sénégal ci ay guute yoo xam ne xam commencer mais donc comme li tubaab di wax mieux vaut prévenir mm. on a préféré nous fépp foo ne alerter avant que l'irréparable se produise mm-hmm. parce que Sénégal dina ci du xam comme les avocats ce travail là commencé continuer mm-hmm. ba ñu xam Sénégal dina nek l'État de droit bi nga xamné mom lañ ko xamé depuis toujours. Mhm. Et lolu pour rien au monde duñu duñu sétane que muy naxasaay wala ñu sétane muy muy changé inshallah ok voilà merci beaucoup. benn question à peu près pour yéen ñatt temps lañ den may ñom ñatt temps ngeen fogné dinañ len répondre parce que comme cas bi Wow, on a on a même voilà non là mënuñu nous wu tout de suite ci temps parce que on a même appris venir du dugg fii même Ismaël major Fall apparemment il devait être là ce matin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 dañuy commencer par euh, féliciter le travail ñu ne ñu ngi gërëm avocats yi ñëw pour défendre la cause du Sénégal aux oreilles des autorités de cette institution mm-hmm. léegi euh, ñun li ñu mën def ñun ñi nekk ci diaspora bi mm-hmm. mooy xeex ba lépp lu ñuy xew Sénégal ci ñaawteef adduna bi yëpp xam ko foofu lañ juddoo ñu ngi dëkk ci diaspora bi mais ñu ngi def lépp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 parce qu'il a, on ne peut pas le taxer, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas taxer d'avoir pris quoi que ce soit, pas un centime des caisses de l'État. Mm. Il n'a aucun bien mobilier ou immobilier dans la diaspora. Il a été serein. Donc, on demande, qu'il se réfère à son attitude de sagesse. Voilà. On ne peut pas continuer à fermer euh,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 il vraiment marquer le, point. Voilà. Merci. on a fait ça, donc après, à la suite de ça, il marche oh, Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Bon retour. Je après vais prendre une avec Attends, on va rater notre train. non, tu as mis à non Tu me l'as mis à mode film. Photo Juan, il veut partir. Quand il veut partir, gars. Mets-toi à côté

C'est bon Abby Qui oh. Tu as pris Merci mon fils. C'est bon. C'est On va rater le train. Euh, il faut que tu enlèves le ah, Il prend l'avion ou Merci beaucoup. Hein. Vous avez tout fait. Franchement, merci beaucoup. on, est ensemble. Du coup, maître, vous retournez par euh, avion ou par train Si, si, Le, le, même. 16h25, euh, c'est ça bah, Non, nous, 16h42. h 42 C'est le direct Non, nous, on fait. À Lyon Ouais, ah jusqu'à Lyon. Le direct. Mais il est, il est quelle heure là euh, Tu nous prends une photo de... Avec. Euh, maître Allez. On va, on va pas se faire. Beau travail, hein Beau travail. C'est bon. Bon, maître, merci beaucoup. Vous partez, euh, prenez On vous envoie euh, prend Allez, merci beaucoup. On se dit à bientôt pour le débriefing. Merci beaucoup. On était au Commissariat des droits de l'homme ici. Le combat continue, comme vous le voyez. On va poursuivre toutes ces plaintes-là à partir euh, avec euh, toutes les institutions des droits de l'homme yi nga nous ne dinañu mën a jàppale ñu nous bi parce que nous bi une façon une na méthode une na typologie ndax fii nous ku fi ñëw droit de l'homme moo tax ñu indi la fi te li nekk suñu dëkk droit de l'homme sori na droit de l'homme torture nga répression oppression nga donc euh, on va continuer sur cette lancée là après on sera vers la Belgique on sera à New York et puis dans toutes les institutions il y a nañ ne fofu dinañ donc euh, on doit rentrer sur Paris là merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se dit à la prochaine merci